forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire, le Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec des confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Au menu du forum de la presse de ce soir, d'abord sur le plan santé, l'épidémie de choléra continue à sévir au Niger, touchant maintenant une localité de la région de Tawa et une autre de la région de Zender. Au plan politique, crise au sein du principal regroupement des partis politiques de l'opposition et de la société civile, en l'occurrence le Front démocratique et républicain FDR. Tout est parti de l'élection d'un nouveau chef à la tête du FDR, en l'occurrence Amadou Boubacar Sissé. Ce choix est contesté par le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République. Au plan économique, nous parlerons de la rupture du pont de Malanville au Bénin, principal axe d'importation et d'exportation du Niger à cause du port de Cotonou, corridor le plus proche, une situation qui affecte aussi bien le secteur transport des voyageurs. Pour discuter de tous ces sujets, nous sommes avec nos confrères Elaj Suleiman Mahamadou du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir Suleiman. Bonsoir. Issa, journaliste freelance. Bonsoir Suleiman. Eh, Ousseini. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la télévision et radio Ténéré. Bonsoir. Bonsoir Alassane. Merci à vous d'avoir euh, honoré notre invitation à la présentation à Alassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 14 septembre 2018. La lutte contre l'épidémie de choléra continue dans plusieurs localités du Niger. À la date du 10 septembre, le nombre de cas enregistrés de malades de choléra est de 2752 cas pour 55 décès sur l'ensemble du Niger selon la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies à retenir cependant qu'à la même date du 10 septembre, ce sont 89 personnes qui restent encore hospitalisées, mais avec deux nouvelles localités touchées, Malbaza, région de Tawa, et Damagaramtakaya, dans la région de Zender. Je vous propose de suivre comment les hospitalisés sont répartis par district sanitaire. Docteur Issouf Fujibo, chef de la division riposte aux épidémies, interrogé au micro d'Adama Dawaki. 16 malades. Au niveau de Guidam on a 19 malades. Au niveau des sites de Gaïa, il n'y a que 4 malades. Au niveau de Damagampet, il n'y a, que 2 malades. au niveau du sites de Pire, en Chine, nous avons 3 malades. Au niveau des 3 districts, Gaïa, Damagampet et la situation est vraiment sous contrôle. Par rapport à la situation d'Agadez, à la date où je vous parle, nous avons eu des résultats. Tous les cas se sont révélés négatifs. Le docteur Issoufou Djibo, chef de la division riposte aux épidémies. Alors, euh, je m'en vais tout de suite commencer avec euh, vous, Issa Madougou. Quel commentaire vous suscite ce nouveau bilan du choléra Je crois bien que dès le départ, on a dit qu'il euh, faut être très vigilant par rapport à cette maladie qui est liée à notre mode de vie, surtout l'hygiène et l'assainissement. Et vous voyez, selon les chiffres que, nous ont été communiqués via OCHAL, à travers leur habilitation à la date du 10 septembre, nous avons au total 2752 cas. c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez que c'est très inquiétant. 2000 personnes atteintes par cette maladie. Et jusque-là, on voit, au, départ, c'était seulement au niveau de la région de Maradi si la région d'Ottawa et de Zender sont atteints, je crois bien qu'on devrait prendre encore des mesures supplémentaires. Parce que vous savez, on a toujours dit que la, libre, euh, la circulation des personnes et aussi des animaux va encore amplifier l'épidémie. C'est pour cela qu'il faut aller prendre des mesures pour cela. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas que aujourd'hui eh, qu'on que euh, on s'arrête uniquement au niveau de ces régions euh, par, touchées. par cette épidémie. Il faut qu'on continue la sensibilisation. D'ores et déjà, nous avons vu l'État, avec l'appui de ses différents partenaires euh, dans le domaine de la santé, qui continue vraiment à faire un travail salutaire sur le terrain dans la prise en charge et dans la sensibilisation. Et vous avez vu aussi la manifestation de l'Union européenne qui a déjà prévu à peu près 100 millions pour aider euh, euh, les personnes atteintes par cette maladie. Moi, je pense qu'il faut intensifier la, communication et aussi les populations, nous aussi de notre côté, nous devrons vraiment être à côté de ces gens-là pour continuer pour relayer l'information. Par mm. exemple, quand une personne quitte euh, euh, une zone infectée pour une autre zone, il faut que nous nous assurons que cette personne est en bonne santé. Parce que ce n'est pas de la calomnie, loin de ça. Mm. Nous allons sauver des vies. C'est pour cela mm. qu'il faut essayer de voir comment nous pouvons aider ce gouvernement et les partenaires techniques et financiers qui sont vraiment engagés dans la prise en charge de cette maladie. Bien. Et là, Suleiman Mahamadou Bon, je, je pense que euh, nous l'avons dit à une autre occasion. Euh, il y a beaucoup d'aspects euh, à savoir que il y a un problème d'hygiène vraiment général, d'où je rejoins effectivement Issa lorsqu'il dit il faut intensifier la sensibilisation. Il faudrait développer au niveau des populations des réflexes vraiment euh, qui peuvent prévenir vraiment euh, certaines maladies. Il y a aussi, au-delà donc euh, des populations, ce que aussi un effort à faire au niveau donc des autorités, en termes d'assainissement. vous voyez, je ne serai pas même à quand je vois certaines situations créées en termes vraiment eh, de saleté on voit dans, la ville, parce qu'avant tout, comme c'est des problèmes d'hygiène, hein, ça peut arriver moi, ici à, Niamey. Donc, il y a vraiment cet effort-là à faire, euh, non seulement de sensibilisation, que les gens puissent avoir vraiment des bons réflexes pour vraiment prévenir les maladies, euh, mais aussi, il faut insister en tout cas que la police sanitaire en tout cas, puisse faire, en tout cas, accompagner euh, donc, tous ce, ces efforts-là. Bien. Et, Issa, un mot sur ce nouveau bilan Bon, mais le bilan, vous savez, c'est une maladie qui apparaît généralement en saison de pluie et qui est liée, il ne faut pas l'occulter, qui est liée à l'eau de consommation, l'eau que les villageois consomment souvent. Ça pose un problème d'hygiène, d'assainissement, mais également d'accès à l'eau potable. C'est une période d'habitude où les gens, quand ils vont dans les champs, ils boivent souvent l'eau de mare, ils utilisent l'eau des mares qui sont là, les mares temporaires, pour leurs besoins sur place. Et on sait bien que c'est une maladie liée à un certain nombre de, comment dire, la à l'air libre, j'ai l'habitude de le dire ici, les urines et tout et tout. Mm. Ça fait que quand il y a la pluie, les, les, comment vais-je dire, les, les, les, comment vais-je dire, euh, les, excréments, les excréments, tout ça, sont drainés. L'eau. Sont, euh, sont, drainés dans l'eau et ça pose un sérieux problème. Les gens, quand ils boivent ça, naturellement, ça peut poser ce genre de situation. Et c'est une situation qui est toujours là pendant la saison de pluie. Alors. Et à partir de la saison, ça veut dire qu'il faut amener les gens à comprendre. Il faut aider d'abord au niveau des villages la sensibilisation pour que la défécation à l'air libre, il y a eu des projets, je crois, à travers des organismes et tout et tout. Mais malheureusement, ça ne continue pas. Une fois qu'on sort de la situation, plus personne ne s'en occupe il n'y a pas de suivi, il faut créer les conditions pour que même dans les villages, euh, des gens puissent disposer, en tout cas, de sanitaires pour pouvoir euh, éviter la défécation, tout ça, à la libre. Hussein, comment expliquer la durée euh, de cette lutte contre l'épidémie de choléra du 4 juillet à aujourd'hui Ça a commencé. Alors que c'est chez notre voisin, l'Algérie, en une vingtaine de jours, le ministère de la Santé de ce pays affirme avoir terminé la lutte oui, mais malheureusement, ce n'est pas les mêmes situations, ce n'est pas les mêmes moyens. L'Algérie, c'est quand même un pays, on peut considérer à la limite comme une puissance. Ici, bon, les moyens, c'est quoi C'est quand ça arrive qu'il faut parer au plus précis. Mais dans un pays comme l'Algérie, quand on circonscrit le foyer, on, met, on peut mettre le maximum de moyens pour pouvoir contenir ça. Et c'est ça qui s'est passé. Mais malheureusement, chez nous, ce n'est pas ça on est là en train d'attendre que les partenaires nous apportent des aides et tout et tout. Mais moi, j'ai dit, c'est un travail de sensibilisation qu'il faut intensifier. Il faut créer les conditions pour qu'au niveau même des villages, les gens comprennent que la défécation à l'air libre, c'est ça qui a Vous, vous insistez sur la défécation à l'air libre. Bien. la défécation à l'air libre, moi, je rejoins son idée, peut être contribué à cela. Parce que vous savez, il y avait une approche qui a été mise en œuvre, vous l'avait notifié, par plusieurs euh, projets. L'assainissement total piloté par la communauté, la TPC. Donc, ça a donné des filles. On a déclaré, euh, des, villages qui ont été des villages modèles. Les gens conçus des sanitaires, ils occupent. Parce que mm. c'est quoi C'est un problème d'habitude. Il faut amener les gens à aller à l'utilisation rationnelle des latrines. Parce que la défécation à l'air libre, nous tous, nous savons que même pas de cas de choléra, ça peut provoquer des, des, des, diarrhées, euh, maladies. Donc c'est pour cela, par rapport à ce que vous disiez à l'Algérie, le système sanitaire n'est pas la même chose. Combien de médecins pour une population, euh, pour combien de populations Déjà là-bas, on a une différence. on n'a pas les mêmes moyens. Eux, ils ont les capacités financières à faire face à cette maladie. Et d'ailleurs, l'Algérie, le cas de l'Algérie et, le Niger, ce n'est pas la même chose. Vous savez, parce qu'au Niger, qu'est-ce qui s'est passé dès le début C'est des gens qui sont venus du, du grand chez du, euh, le grand voisin, le Nigeria. Mm. Donc, est-ce que l'État n'avait pas les moyens de contrôler. Vous savez, les frontières sont poreuses. La circulation des personnes, l'État ne peut pas tout contrôler. Et c'est ce qui fait en sorte que on assiste vraiment à des cas. Et quand ça s'est déclaré à Madarumfa, on l'avait dit ici, Madarumfa était une zone humide où il y a assez de mares. Et les gens utilisaient la mare. Donc c'est pour cela que les eaux de mare, parfois, et, ça pose aujourd'hui, c'est quoi le problème que ça pose Que l'État essaie de voir, revoir sa politique euh, hydraulique pour permettre aux gens d'utiliser des vraies infrastructures hydrauliques et les habituer à le faire. Parce qu'il ne suffit pas de faire parfois sans les associer. Merci Issa, nous allons passer. Euh, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça, sinon nous passons à autre chose. Bien, sur le plan politique, je le disais, une crise s'empare du Front démocratique et républicain, FDR, principal regroupement des partis politique de l'opposition et de la société civile, tout est parti de l'élection d'un nouveau président à la tête euh, du FDR, à l'occurrence Amadou Boubacar Sissé. Ses choix est contesté. D'ores et déjà, l'on apprend que Amadou Boubacar Sissé s'est retiré du FRDDR. Pour rappel, c'est en mai dernier que le FDR a vu le jour par la volonté d'une synergie d'action contre le régime actuel. Ce front est composé du cadre d'action de la société civile euh, citoyenne, du Front patriotique des non-affiliés, du FOI, le Front de l'opposition indépendante, et du FRDDR. Voilà. Suleiman, quelle analyse faites-vous de cette situation Elle était prévisible dès le départ ou pas euh, Bon, quand même, euh, on ne peut pas dire prévisible parce qu'il n'y a aucun signe qui nous montrait quand même j'ai un, un, effet surprise à ce qu'on euh, sache ce que l'opposition euh, n'a pas intérêt à entretenir une division interne. Hein. Euh, on pense que toute opposition, en tout cas, a tendance à travailler ensemble parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui divisent. Hein. Mm. Mais s'il y a un peu de leadership, certes, des ambitions des uns et des autres, mais franchement, euh, ça peut fragiliser, ça va même fragiliser le poste si elle persiste effectivement à entretenir euh, cette division. Mais on a compris que véritablement, c'est un problème de, euh, leadership. et bon, c'est bien, bien regrettable. Autre chose pourrait se passer sans accroc, vraiment, une question, un consensus pourrait être trouvé, mais tel que ça sont passé parce que comme aussi déjà euh, lorsque euh, mon Sissé vient de dire qu'elle s'est de FRDDR, ça fait quand même, quand je dis ça a fragilisé, effectivement, c'est déjà quand même un, un, problème sérieux, quoi. Parce que euh, ils ont tendance à, veulent que les gens, en tout cas, viennent pas vraiment se diviser. Parce que cela veut dire que la situation telle qu'elle est posée, le front de non-affiliés, parce que ce n'est pas seulement Sissé qui était en fait mhm. problème, mais aussi on a vu un communiqué, par exemple, qui, sur Intinicar aussi qui, qui dénonce. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, entre maintenant non-alliés et l'opposition, donc, euh, en, tant que tel. en tout cas, il y a une sorte de distorsion dans leur façon de, faire, de lutter. Hussein Issa, quelle analyse vous, vous faites Est-ce que vous, vous êtes surpris Bon, mais moi, j'ai dit quelque part, je vais rejoindre Dalaj Suleiman. Moi, je dis, une opposition, elle doit être soudée. C'est quoi l'enjeu Je n'en vois pas. Juste quelqu'un qui va euh, assurer, comme on avait dit, la direction de, des, des, structures, parce que c'est plusieurs structures, il y a plusieurs regroupements. Si déjà ça pose problème, je me dis, mais ils veulent aller où Ils veulent faire quel type de combat quel est l'enjeu Véritablement, quel est l'enjeu Il faut être président de, de, la, structure. Mais justement, mais où est l'enjeu L'enjeu, c'est qu'il faut la cohésion. Il faut qu'il y ait une cohésion pour pouvoir mener la lutte, faire le travail d'une opposition véritable. Si déjà à leur niveau, ils n'arrivent pas à s'entendre, ils sont en train de se chamailler pour des questions d'ego, moi je dis quelque part, ça ne va pas. Ils vont mener quel type de lutte quel type de lutte ils veulent mener, parce qu'une opposition doit être quand même euh, en mesure d'être l'alternative euh, par rapport au pouvoir qui est en place. Mais si déjà, pour des questions d'ego, de, les gens se mettent dans des postures où ils ne sont pas d'accord, chacun veut prendre la tête, moi je dis quelque part, il n'y a pas. Quelle lutte ils mènent d'ailleurs À la limite, c'est la question que je me pose, ils mènent quelle lutte Ils sont là, on crée des fronts par-ci, fronts par-là, mais ils font quel travail Absolument rien du tout. En matière d'opposition, moi, je n'ai pas vu. Jusqu'ici, il y en a combien de fronts qui ont été menés Il y a eu quelques tentatives de, de, de, de, dire, euh, de, mobilisation, mais après, ça, ça, ça, s'estompe. En, dehors des déclarations de temps en temps, il n'y a plus rien. Alors, oh, Issa, Issa Madougou, mm. euh, alors comment vous, vous, réagissez à... Ah, ben, de toutes les façons, aujourd'hui, la situation, c'est que moi, je pense que... Hussein s'est demandé quelle lutte il mène d'ailleurs ces euh, fronts quel est l'enjeu pour, euh, pour, euh, pour arriver à cette difficulté C'est une opposition spécialiste des déclarations. On n'a pas senti sur, l'opposition. Ce n'est pas l'opposition que Seyni avait joué. Seyni, même s'il souffre tous toussé, simple tout, Seyni est là pour contrôler, pour sortir, pour dire voilà et donner. Les... Mais depuis la deuxième mandature, dites-moi la seule action de gestion, de contrôle de l'action gouvernementale proprement dite que cette opposition a posée. Aujourd'hui, c'est la société civile. Vraiment, j'encourage ces gens-là qui font une lutte citoyenne, qui sont en train de jouer leur rôle. Eux, ils sont là, ils n'arrivent même pas. Je vous assure qu'à cette allure. Ils sont ensemble. Mais attends, la société civile, c'est la vedette de la lutte. Vous ne pouvez pas, soit vous unir avec eux ou périr. C'est comme ça. Ils se sont levés c'est la lutte sur le devoir citoyen qui les a amenés. Aujourd'hui, la société civile lutte plus pour ces citoyens qui, qui n'ont pas bénéficié de leur voix dans les urnes, plus que ces gens-là qui ont bénéficié des voix de ces citoyens nigériens. Alors, Issa, comment situez-vous, vous, les responsabilités dans cette mise en tête, tête Est-ce qu'il y a une chance pour que les uns et les autres reviennent à de meilleurs sentiments pour euh, cheminer ensemble C'est à eux de le savoir. Ils ont l'intérêt pour eux aujourd'hui, c'est d'unir ou de périr. Et aujourd'hui, le béni de cette situation, c'est le, régime. Parce que déjà, il y a une opposition qui n'existe pas. Une opposition qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. été, vous pensez la société civile qui était là pour faire la vraie lutte citoyenne au nom des citoyens, vous pensez que ce que les gens dénonçaient là, ce que les gens sont en train de vivre, ça n'est pas être pire Mais l'opposition ne joue pas son rôle. Aujourd'hui, regardez, c'est seulement quand on voit la tendance qui se dégage. Il y a des gens qui veulent les moyens, hmm. qui veulent de l'action directe. Hmm. Il y a d'autres qui voient, non, il faut se méfier des autres. Parce que l'opposition, c'est quoi le problème aujourd'hui C'est le FRDDR. Le FRDDR s'est éclaté en première position. Parce que c'était dans le FRDDR que Kassa et Racine ils sont sortis pour créer le foie. le front de euh, Maintenant, tous les fronts se sont regroupés pour créer le FDR. Et maintenant, pour le choix de leur président, ils ne peuvent pas s'entendre. Le FDR est là, le FDR veut jouer le poids. Les autres voient que non, leur manière, mais de toutes les façons, aujourd'hui, les grands perdants, c'est eux-mêmes qui sont en train de, d'occasionner le désintégrément de leur bloc. Qui devait faire des, qui devait faire, euh, de concessions dans, cette... Euh, Quelle concession Vous êtes en train de viser la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, des grands comme eux, a-t-on besoin qu'il faut que les enfants de la maternelle, pour leur dire qu'écoutez, vous avez intérêt à vous unir Aujourd'hui, vous pensez que le régime, avec ça là, à, l'aube des échéances de 2021, vous pensez que s'ils continuent comme ça, ils peuvent battre même un parti comme, eh, eh, disons, Bassira ou bien quoi, dans leur ensemble Non. Parce que Déjà, les Nigériens. Non, non, non, non, non c'est juste un exemple. Déjà, les Nigériens ne sentent pas cette opposition. Et voyez-vous, ils se donnent un spectacle pour le poste d'un président aussi périlleux face à un adversaire qui n'a jamais baissé la garde. Parce que le régime ne dort pas. Hein. La MRN est là aux aguets. Il les scrute, quel que soit, pas à pas, seconde par seconde. Et vous, vous vous donnez à ce spectacle pour jouer quel rôle De toutes les façons, dans cette situation, que ce soit pour les politiciens, pouvoir ou bien opposition, ils nous ont montré que le peuple, on les sollicite seulement au temps des élections. Par exemple, aujourd'hui, ce que les Nigériens sont en train de vivre, cette cherté de vie, hmm. cette cherté financière. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que l'opposition, si ce n'est pas des déclarations, mais sortez, même si on ne vous écoute pas, sortez et donnez des pistes, comme on, on l'avait senti, cette opposition responsable durant le premier mandat. Bien, et là, Suleiman Mamadou, vous, comment vous, voyez les responsabilités Comment vous départagez les responsabilités, en tout cas, dans cette mésentente en réalité, euh, euh, ce qui se passe, euh, l'opposition a entretenu un certain nombre de contradictions, a commencé d'abord par son chef de file, qui, au lieu de s'assumer, il a préféré quitter le terrain. Et ça, je vous dis que, politiquement parlant, c'est le premier handicap de l'opposition Pensez-vous que euh, les leaders, les autres leaders vont lutter pour Hamad pendant que lui, est dans, sa zone de confort de l'autre côté et ils vont lutter pour lui Ça, c'est un, premier obstacle. Hmm. Le deuxième obstacle de cette opposition, euh, euh, justement, c'est que lui, Hamad, n'étant pas là, n'était pas capable au sein d'abord de son parti, parce qu'il faut le reconnaître, avec sa situation très compliquée. Hmm. Il préfère euh, être, euh, comme disent les anglophones, selfish et égoïste, considérer que si ce n'est pas lui le chaos, par conséquent, et il, ne, fait rien en tout cas pour sortir le pays, son parti et son camp de l'impasse. Deuxième chose, euh, maintenant, ce que ça en place, la troisième chose, par exemple, Maman Ousmane qui est là, en tout cas, vous savez très bien qu'il a le poids pour, en fait, être le chef de, de l'opposition mais ne les fait pas pour un certain nombre de considérations, parce que aussi l'option euh, de l'opposition dure, c'est de faire recours à des voies non démocratiques. Et lui, il a bâti sa carrière, en tout cas, sur des principes et des valeurs démocratiques. Mm. Vous, n'allez pas vraiment, seulement, en tout cas, euh, recourir à, par exemple, euh, en tout cas, chercher à, utiliser la violence. Il n'est pas là. Autrement dit, vous conviendrez avec moi, c'est de bonne gueule que le monde ne pourra jamais cautionner ABC à la place de Ousmane parce que ça, en termes de poids politique, en termes d'envergure, en termes de, euh, en tout cas, euh, d'homme politique, ce n'est pas la même chose. Parce que euh, ABC ne pèse rien par rapport à Ousmane. Et comment comprenez-vous que celui-ci puisse vouloir s'imposer En réalité, ABC, il, a il est très pressé, il, est très Très ambitieux je pense que lui-même. Euh, ABC, euh, c'est Amadou Boubacar Sissé. Mais justement, euh, c'est donc moi, de mon point de vue, il a osé, parce qu'en fait, ce qui est gênant, quand vous avez bien lu entre les lignes la déclaration du FRDDR, ce qui fait que Bachar dit, en tout cas, il y a beaucoup d'irrégularités. Autrement dit, il a voulu faire un passage en force. Peut-être qu'il a corrompu quelques-uns de l'autre côté. Je ne sais pas comment il a, il, il a fait. Mais une chose est sûre, en tout cas, au niveau, parce qu'en fait, quand vous essayez de regarder au niveau du FRDDR, c'est que quand vous avez le Mwana là-bas, vous avez Hankouri, hmm. autrement dit, en fait, il ne pèsent rien les autres côtés d'un allié, Amadou Donc, par conséquent, ils ont voulu faire un truc euh, euh, qui ne peut pas satisfaire et le Mwana et, et les autres alliés, et Maman Ousmane. Donc, je pense qu'il faut le reconnaître euh, aujourd'hui, c'est un fait. Ils veulent créer une situation qui, bon, en tout cas, tant mais est que. ce que vous pensez qu'ils peuvent se retrouver finalement Ils peuvent revoir leur Mais je, ce que j'ai compris, ce que j'ai compris, c'est en fait, euh, Amadou c'est qui a fait une bévue. Il a compris cela, il allait connaître le sort que Tchana, au niveau de la MRN, il, va allait être chassé, mais il a compris très tôt, il a rapidement en tout cas dit que son parti quitte le FRDDR parce que c'est ce que j'ai compris. Objectivement, il allait être exclu et ça allait être pour lui un camouflet. Bien. Et Hussein Issa mais je ne vois pas l'enjeu. Honnêtement, je ne vois pas l'enjeu. Mais situez-vous les responsables, à quel niveau responsabilité, responsabilité par rapport à quoi Dans la désintégration. Dans, la désintégration, mais moi je dis, ils, sont en train de se désagréger, mais dans quel but Qu'est-ce que, en quoi ça va arranger une opposition Vous n'êtes pas en position de pouvoir. C'est quand on est en position de pouvoir que des questions comme ça peuvent se poser. Juste pour des questions de leadership, qu'une opposition qui n'arrive même pas à mobiliser euh, ses troupes va se mettre dans une posture à cause d'un poste de machine de, direction. Moi, je dis, ça pose sérieusement problème. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Véritablement, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que ce qu'ils veulent, tout à l'heure, ça vient de le dire, ils sont absents sur le terrain de la lutte. C'est la société civile, citoyenne qui est là, en train de faire le travail que normalement, eux, ils doivent normalement faire. Les partis politiques. Les partis politiques de l'opposition, bien entendu. C'est eux qui doivent être dans la rue. Non, mais, non, mais ce n'est pas une affaire de rue. Dans tous les pays au monde, dans tous les pays au monde, quand il y a des problèmes, quand il y a des contestations, souvent les contestations sont portées aussi bien par les politiques que par les acteurs associatifs. Malheureusement, on ne sent pas ces acteurs politiques-là, en tout cas de l'opposition. Ils sont là pour une question juste de leadership euh, ou de machine de, de, de, de présidence, ils se mettent, euh, ils, étalent le linge sale. Moi, je dis quelque part, ils n'ont pas d'ambition. Alors, connaissant les uns et les autres qui composent euh, ces regroupements, est-ce que vous pensez que dans un proche avenir, ils peuvent finalement... Euh... Ce n'est pas, tellement évident. Ils ont habitué les Nigériens à ces genre de situation-là. Ce n'est pas la première fois il se retrouve, il, ne sait pas, il se retrouve, il se sait pas. Mais au bout du compte, au bout du compte, euh, bon, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais dans tous les cas, c'est pas la première fois qu'on est, euh, qu'on assiste à ce Jacques de Seine-là. Amadou Boubkar il, a toujours, euh, tantôt il est là, tantôt il s'en va, tantôt il revient. C'est pas lui seul, il y en a plein d'autres qui sont dans cette posture-là. Mais ne veulent ah, pas se donner même un spectacle, mais qu'est-ce qui peut opposer Ousmane Assisi au regard de leur expérience politique si ce n'est pas que les gens voulaient que <coughs> leur, euh, vraiment euh, venir divertir les Nigériens encore. On, vous attendait de, de, ce côté. Et vous venez vous sortez de, euh, la droite pour venir nous tenir un théâtre. Depuis quand les théâtres, ça ne mobilise pas le public Non, ce n'est pas de ça. Aujourd'hui, moi, je pense que ça devrait être plus responsable. On devrait assister à avoir une opposition responsable. on a habitué les nids. Ce pas les mêmes gens qui ont animé eh, eh, eh, euh, l'opposition pendant le premier mandat. Ce ne sont pas les mêmes. Presque ce sont les mêmes personnes. Mais alors pourquoi aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui ils n'arrivent pas à s'entendre et pour un poste comme ça, coordonnateur de président. président. ne voit pas d'enjeu Mais il n'y a pas d'enjeu, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'enjeu. Parce que déjà, de toutes les façons, ils ne répondent pas aujourd'hui aux préoccupations des Nigériens. Est-ce que vous avez vu une seule fois qu'ils sont sortis, ce n'est pas dire qu'ils ne reconnaissent pas Leur forme même de lutte ne correspond plus aujourd'hui. Est-ce que les Nigériens sont prêts à dire que non, nous ne... Le Nigérien, c'est l'instant. Demain, c'est qu'il va, comment il va payer sa facture d'électricité Comment il va payer sa facture d'eau C'est ça qui le préoccupe. Mais est-ce que vous, vous, avez compris toutes leurs déclarations Ils reviennent toujours pour dire 2016, ils se voient voler. Non, maintenant préparez 2021. C'est ce qui est intéressant. On n'a plus besoin de ce spectacle. Aujourd'hui, quand vous voyez dans les autres pays, on a envie de voir cette opposition au Niger. Quand je regarde ici à côté nos voisins burkinabés, Diabré, quand il sort, quand il scripte la gestion du pouvoir de Rock, c'est émerveillant on se rappelle. C'est pour ça que les gens pensent qu'on est trop nostalgique du passé ou bien non. C'est vrai, si le passé a des bonnes choses, c'est normal qu'on reste dans ce passé. Parce qu'on les attendait plus à ça. Mais aujourd'hui, on a vu que le mercenariat, il n'y a pas cette envie de jouer réellement son rôle. Le mercenariat a pris le dessus sur l'engagement politique de l'opposition. Bien, nous passons à autre chose, Issa, si vous voulez bien. Euh, le transport des biens et des personnes entre le Niger et le Bénin prend un sérieux coup avec euh, l'effondrement d'un pont à l'entrée de la ville de Malanville au Bénin il y a plus d'une semaine. À ce jour, environ 800 camions, voire plus, sont bloqués. L'une des premières conséquences, comme vous le savez, de cette situation, c'est le ravitaillement du Niger en marchandises de tout genre, mais aussi l'exportation de l'uranium d'Arlit vers le port de Cotonou. Et selon nos informations, il faut au minimum 45 jours pour réparer cet ouvrage, une voie de contournement a été choisie, c'est par le Burkina Faso, une zone euh, en proie souvent à des attaques armées, main surtout ces derniers mois. Et là, Suleiman Mahmoudou, quelles sont les conséquences à très court terme pour le Niger, car le Bénin n'est pas autant affecté par cette situation mm, ben, les conséquences, euh, d'abord, un, l'enclavement du pays va se ressentir parce que euh, très malheureusement, c'est euh, de l'autre côté qu'on arrive à acheminer les marchandises. Cela veut dire qu'il risque, si on ne fait pas attention, de ressentir cela au niveau des produits de première nécessité, à savoir que si les marchandises, euh, si le commerçant ont des difficultés à livrer, cela veut dire que la situation créée peut amener en tout cas l'augmentation du transport. Et eux, puisqu'ils font du commerce, ils risquent effectivement de répercuter ces frais supplémentaires sur les marchandises. Bref, on n'est pas là pour le moment, mais c'est le risque en tout cas euh, qu'on court. Hein. Euh, bon, c'est une situation imprévue, c'est vraiment euh, c'est arrivé. ils sommes en train donc maintenant avec les autorités de voir donc. les solutions, c'est malheureusement la vie elle est faite comme ça. Il faut tenir compte aussi des catastrophes naturelles parce que c'est la volonté des personnes, c'est un peu écassé. bon, voilà, il faut en pour que, en tout cas, ça puisse être plus supportable au niveau des populations. Nissa, euh, comment vous avez accueilli cette information, cette nouvelle Bon, mais vous savez. Euh, les conséquences, immédiates sur Les conséquences immédiates, c'est d'abord l'approvisionnement. On parle de 800 camions qui sont karma stationnés depuis pratiquement plus d'une semaine. Ça, c'est la première conséquence. C'est des camions qui sont allés, et, comment dirais-je, transporter des, des, marchandises. Ça, ça, commence à avoir ses effets déjà au niveau des populations parce qu'il y a des marchandises, en tout cas, qui sont périssables, qui ne peuvent pas, en tout cas, euh, tenir jusqu'à ce que le pont soit rangé. Heureusement, j'ai suivi ce matin, je crois qu'il y a eu, comme avait dit, le syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs ils se sont, euh, comment, ils ont fait une rencontre avec les autorités pour voir dans quelle mesure une solution de contournement, notamment par le, Burkina, par le, Burkina. Faso, on peut trouver un mécanisme pour que les marchandises puissent passer par le en Burkina toute sécurité. En toute sécurité, bien évidemment, parce que tout simplement, <clears throat> s'il n'y a pas la sécurité, <laughs> c'est pas évident que les marchandises arrivent à destination. Maintenant, les effets qu'il faut craindre, c'est que c'est un peu l'inflation. Parce que les commerçants, vous savez, d'une manière ou d'une autre, ils ne perdent jamais. C'est le client final ou le consommateur final, celui qui supporte les coûts. Même, donc vous voyez que même quand on aura trouvé une solution. Oui, mais bien entendu, certainement qu'il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de marchandises, des produits qui sont machines, de, qui sont qui sont qui sont qui sont, euh, qui, qui, sont, qui doivent normalement être dont l'approvisionnement doit être permanente. Il y a beaucoup de produits qui, qui, qui, manquent aujourd'hui, certainement, à cause de cette situation-là. Jusqu'à ce que la situation se rétablisse, ça veut dire que ceux qui disposent un peu de certains de ces produits, ils vont renchérir les coûts, le temps, parce que c'est une situation, une occasion pour eux pour pouvoir se faire un peu plus d'argent. C'est le consommateur final, comme je viens de le dire. Et vous savez bien entendu que 80% de nos produits, en tout cas de nos importations, passent par le port de Cotonou. Alors, Issa Madougou, de la radio et télévision Ténéré. Oui, écoutez, cette situation, euh, vous, savez que c'est des infrastructures donc ça, il y a une durée de vie, il fallait prendre des dispositions depuis des années. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, voilà la nécessité qu'il faut intensifier la coopération entre les deux pays. Si l'OCBN existait depuis, les gens, euh, les chefs d'État qui ont créé au départ l'OCBN ont vu la vision et l'utilité, la nécessité par rapport pour faciliter la libre circulation des personnes. Mais malheureusement, hélas, les chefs d'État qui en ont suivi dans les deux pays n'ont pas pu consolider ce acquis. Ils l'ont essayé échapper. Donc aujourd'hui, même si elle existait, qu'elle qu'aurait-elle fait Aurait pu, aurait pu construire aurait pu construire deux ponts. Par exemple, aujourd'hui, moi, je pense qu'on aurait pu avoir plusieurs points, vu le volume des transactions entre le Niger et, le Bénin. L'uranium qui constitue aujourd'hui la base de notre économie passe depuis qu'on a commencé à l'exploiter. Une bonne partie passe par ce, là, par ce port-là. Aujourd'hui, avec l'installation et la reprise des magasins sous douane euh, par Bolloré au niveau de la rive droite, Beaucoup de commerçants qui venaient à partir de Lomé pour passer vers le Burkina, pour passer par ce poste douanier, ont transféré leurs marchandises au niveau de, Cotonou. Ça, c'est un secret de polichinelle. Et c'est pour cela ce qui a fait un temps. Vous voyez, il y a quelques années où l'intensité a baissé au niveau de Cotonou, mais ça a repris depuis l'installation de Bolloré, la reprise de Bolloré au niveau des magasins sous douane. Ce qui veut dire que toutes les transactions se sont dirigées vers le Bénin. Il fallait prendre des nécessités et des, mesures. Ça, ce n'est pas seulement la faute du Niger. C'est les deux pays, dans une synergie d'action, qui doivent prendre parce que tous les deux pays en profitent. Aujourd'hui, regardez le fait sur le la voie de contournement. Ça, va passer par où Fadangourma, Diapaga ou bien par où mm. Et connaissant que cette zone, vous savez, c'est une zone très eh, verte donc les attaques, il faut se attendre. Est-ce que les voies sont adaptées à supporter les gros porteurs voilà, c'est un certain nombre de, questions, euh, de, de, de, problèmes qui se posent. Moi, je pense que aujourd'hui, ce qu'il faut s'attendre, comme on connaît nos importateurs et exportateurs, c'est le pauvre citoyen, le consommateur qui va en subir. De toutes les façons, même des mesures d'allègement des frais de douane ont été prises. En moins au Niger, ils n'ont jamais respecté cela. Ils vont profiter de cette situation pour dire que non, nous sommes en train de dépenser trop dans le transport. Voilà ce qui explique la hausse des prix. Alors, est-ce qu'il y a un moyen pour l'État, en tout cas, de pouvoir euh, non, contrôler là, cette hausse des prix euh, éventuellement ben, Le problème, c'est que où se trouvent les services de contrôle de qualité Qu'est fait le ministère du Commerce depuis ces années Aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de routes, on a besoin d'infrastructures pour développer notre économie. Surtout que nous sommes aujourd'hui dans cette dynamique de zone de libre d'échange économique continentale. Nous devrons faire, par exemple, moi je trouve qu'au lieu de faire un troisième point, c'est mon avis, pourquoi ne pas faire un deuxième pont au niveau de Gaïa C'est plus rentable et économique pour le Niger. Alors ici, ce troisième point, quelle est sa valeur, la plus-value pour l'économie nigérienne Non. Déjà, les deux points, ça va pour Niamey. On peut attendre quelques années. C'est-à-dire il faut voir des investissements qui vont nous donner euh, euh, une, certaine capacité à, ce que notre économie soit plus solide. Hmm. Aujourd'hui, dans cette tendance de zone de libre-échange, qu'est-ce que nous avons à offrir Il faut que ce que nous produisons, le peu que nous produisons, arrive à être écoulé à temps parce qu'aujourd'hui, vous savez que le facteur que de... Nous importons plus que nous Mais, oui, mais oui, ça, ce que nous apportons. Et aussi, il faut que ça vienne à temps. Le facteur temps est très important aujourd'hui dans les échanges commerciaux. Bien. Ousseini, eh, pas Ousseini, Suleiman Mamadou, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen pour que l'État puisse contrôler en tout cas euh, cette éventualité que euh, les commerçants puissent en tout cas renchérir euh, sur les produits qui arrivent à rentrer sur le territoire Bon, je crois que à s'en euh, tenir aux, propos des syndicats, en tout cas les transporteurs, on se rend compte que comme le dialogue est là, ils sont en contact avec les autorités. Euh, maintenant, comme je l'ai dit, c'est vraiment une situation de crise euh, dont effectivement la gestion demande des sacrifices autant du côté du gouvernement, autant du côté donc des commerçants. Donc il va falloir euh, voir l'intérêt général. Euh, le commerçant effectivement sont tenus d'accepter certaines, certaines pertes euh, parce que là, c'est, comme dirait l'autre, des impondérables. c'est le risque de leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont des marchandises tout le temps. Certains, par exemple, ceux qui portent des produits un peu vulnérables, en tout cas qui se. Par exemple, comme euh, l'oignon ou bien euh, le tomate, tout ça, les produits vraiment frais, mhm. souvent, c'est euh, régulièrement, des, pertes comme ça. Donc, je pense que pour faire court, de mon point de vue, il va falloir mettre en avant l'intérêt général pour vraiment se dire que voilà une situation créée, créée faisons le sacrifice nécessaire au gouvernement de créer les conditions, les possibilités pour en tout cas qu'ils puissent le maximum euh, donc euh, limiter, réduire les, en tout cas les, dégâts mais aussi à eux de voir que ce n'est pas pour autant qu'il va falloir euh, sévir sur les pauvres consommateurs. Euh, est-ce que, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire en termes de, de, de, de euh, concession de sa part Premièrement, le gouvernement doit effectivement veiller à faciliter donc l'acheminement de leurs marchandises le plus, en tout cas euh, le plus tôt possible. En dehors du voie du Burkina, nous avons parlé effectivement euh, du côté du Nigeria. Donc, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui coûte euh, plus, en tout cas, qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui est plus accessible. donc, c'est un peu cela. je pense je que, crois bien que c'est le, Burkina, c'est l'option du Burkina. Parce qu'ils sont donc en négociation, il va falloir que de bout en bout, qu'il y ait de suivi, effectivement, pour qu'on puisse préserver encore une fois euh, l'intérêt des consommateurs. Est-ce que vous pensez, comme c'est que disait tout à l'heure euh, Issa Madougou, que en tout cas euh, il y a eu une certaine négligence du côté de ce pont, on aurait pu avoir bon à la, d'autres à, la à, la vérité, c'est qu'effectivement on aurait pu moment, au niveau de, États si on tient compte, comme il dit, si on tient compte que ces ouvrages ont une durée de vie. Si effectivement c'est cela, c'est, parce qu'on a laissé donc pour la situation on n'a pas effectivement, il me paraît évident que euh, c'est un cas parmi d'autres que euh, le pays a davantage besoin des infrastructures, en tout cas utiles. Euh, franchement, c'est une nécessité. Il va falloir y songer, en tout cas, pour prévenir des situations de ce genre. Hmm. Alors, Ousseini Bon, moi, j'ai dit. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui, en tout cas, peut contenir la situation on compte la situation, quand c'est une situation, c'est un désagrément qui est là, qui <laughs> est imprévu, c'était imprévu. On, personne ne s'attend à un affaissement, à l'affaissement d'un pont. Le, le, plus souvent, c'est des choses qui arrivent. On a vu un peu en Italie ce qui est arrivé. Il y a une durée de vie. ça arrive quand. Mais on ne peut pas prévoir. On peut pas prévoir. Ça dépend. C'est des, phénomènes. Ça dépend des phénomènes climatiques et tout. C'est des impondérables qui sont là souvent. Maintenant, ce que le gouvernement peut faire, moi, je dis quelque part, c'est que c'est d'alléger un peu, parce que les commerçants vont faire des pactes, c'est sûr. 800 camions qui sont stationnés, il y a des produits très périssables certainement qu'il va falloir déverser. Maintenant, c'est au gouvernement de voir dans quelle mesure il y, aura eh, eh, comme avait dit, euh, des mesures d'accompagnement, notamment l'assouplissement au niveau des cordons douaniers, pour que les commerçants aussi puissent se retrouver. Mais tant qu'il n'y a pas ça, ça veut dire que ça va se répercuter au niveau du consommateur final, parce que c'est lui en dernier ressort qui va aller au marché pour chercher un produit, le commerçant va renchérir le coût et il est obligé d'acheter parce que c'est <laughs> une nécessité pour lui et la question de la sécurité de, du tronçon qui mais le tronçon, c'est de l'autre côté, ça doit se passer normalement. Une fois que euh, l'entente est trouvée avec le Burkina Faso, les autorités du Burkina Faso, ils reviennent bien entendu aux autorités du Burkina Faso de pouvoir mettre un dispositif pour, euh, comment hein, sécuriser les convois de camions qui vont venir traverser la frontière et qui vont être pris en charge à partir de Makolondi, ici au Niger, à partir de la frontière. Alors, un dernier mot en sport, je ne sais pas si euh, toi, euh, tu, te sens en, sport. On a vu le MENA euh, qui fait qui a été battu en Égypte 6 à zéro. C'était dans le cadre des éliminatoires de, la Cannes 2019. Euh, par la suite, une vidéo a circulé sur, sur les réseaux sociaux où ces joueurs dénonçaient un certain nombre de, mauvaises conditions. Après, on a vu euh, les responsables de la FENIFOOT qui ont réagi qui ont reconnu en quelque sorte, euh, en tout cas, euh, certains euh, aspects dénoncés par, les, joueurs. Et de ce côté, on a aussi le tournoi de l'IFOA où le, le KD, en tout cas, a perdu hier contre le Nigeria en demi-finale 2-1 un commentaire rapidement. Bon, le commentaire que je peux faire, je dis, c'est un mauvais départ. En tout cas, on n'a pas l'habitude d'assister à ces Jacques de score fleuve où on va vous mettre jusqu'à subir <coughs> à zéro. Mais ça, c'est, un scandale. Ça veut dire que le football, comme j'ai l'habitude de le Ils dire. ont dénoncé en tout cas un certain nombre de mauvaises conditions dans lesquelles ils se préparent pour aller à ces compétitions. Il n'y a pas un mouvement d'ensemble. C'est-à-dire, quoi le mouvement d'ensemble Il faut créer les conditions pour que, quand ça démarre, on peut mettre des années avant de pouvoir euh, atteindre un certain niveau, mais il ne faut pas, on commence et on retombe. Et c'est quand il y a des compétition qu'on qu essaye de regrouper des gens. Bien, désolé, euh, on n'aura pas le temps de donner la parole aux deux autres invités. Merci à tous d'avoir suivi le forum de la presse. Nous étions en compagnie de Suleiman Mahamadou du journal en ligne Niger Inter, Hussein Issa, Issa Madougou. Bonsoir.